Thank you. mbokk yi daleen nag jàmm ci biir limametti point com euh, tey nag ñu teewal leen fii euh, nga xam ni euh, moom mooy centenaire xam ngeen ne ci suba ba tey nag ay affrontement mi ngi am un peu partout ci dëkk bi li ko waral moom mooy arrestation ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko xam ngeen ni bi mu jëlee yoon ngir dem fële nga xam ni moom mooy tribunal bu Dakar ginnaaw bi ñu arrêté li nga xam ni moom mooy yoonam affaire bi bloqué dañu ko mujj jàpp pour trouble à l'ordre public indi ko fi nga xam ni moom mooy brigade de recherche metti amna un peu partout euh, ci dëkk bi fi ñu ñu taxaw nak euh, muy centenaire euh, ñi nga xamne ñom ñoy policier yi ñi ngi jamarlo ak ñi nga xamne ñom ñoy manifestant yi ngir ñom dañoo bëgg ñu daldi baye ki nga xamne mom moy Ousmane Sonko pour l'instant loolu lañ leen mëna wax ni un peu partout fi nga xamne mom moy dëkk bi surtout fi nga xamne mom moy Koloban ak ay alentouram mi ngi tang bu baaxa baax j'ai un message à lancer à l'endroit de tous les Sénégalais. Je pense que nous sommes en train de traverser un moment sérieux, un moment historique pour le Sénégal, un moment très remarquable pour le Sénégal. Je pense que tout ce que le Sénégal a subi depuis 1960, la jeunesse dit aujourd'hui non Non cette Aujourd'hui, nous voulons une nouvelle génération basée sur une révolution tous les pays aujourd'hui qui se sont développés, ils sont passés par une révolution. La jeunesse est aujourd'hui debout pour une révolution. Nous une révolution. Nous voulons un changement. Dans ce pays-là, c'est un pays mal géré depuis des années 1960. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous disons tous ensemble non pour le développement d'un pays. On ne peut pas parler de développement sans révolution. Nous avons un aîné qui est sérieux, un aîné juste pour fonder des patriotes sérieux, pour fonder un pays qui va connaître demain une vie de prospérité, une vie de bonheur, une vie ah, de bonheur pour tout le peuple sénégalais. Nous vous disons vraiment non. non, non, non l'injustice. n'est pas un facteur pour la démocratie. La démocratie a besoin de la liberté d'expression et cette liberté d'expression est une chose fondamentale. S'il y a aujourd'hui du désordre dans ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas une liberté qui est ah à ah Nous demandons cette liberté. La jeunesse est aujourd'hui debout derrière Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, une jeune inspirée, une jeune expérimentée, une jeune qui se sacrifie pour des générations futures. Tous ceux qui connaissent aujourd'hui le développement.